c'est plutôt bien passé si on peut parler de, préparation. Je crois que ça a été très très très court euh, du fait qu'on n'a pas eu beaucoup le on n'a pas eu assez de, jours pour vraiment euh, assez de temps pour en réalité faire ce qu'on nous, voulions faire. Comme je l'ai toujours dit, dans face à des matchs euh, en fin de saison, c'est souvent compliqué. Euh, vous n'avez pas vos joueurs à votre disposition si vous voulez euh, dans la même période, euh, souvent, c'est les fins de saison, c'est beaucoup de matchs. On a parmi nous, chez nous, des joueurs qui ont fait pratiquement plus de, 45, 50, même peut-être même plus de soixantaine de, matchs. Donc, en une semaine, il a fallu en fait faire un peu plus, être dans la régénération, pardon. plus plus qu'autre chose donc entrecouper aussi parfois de vidéos pour visionner l'équipe euh, l'équipe béninoise. Donc euh, je pourrais dire que oui, l'état d'esprit est là. Je vois les garçons concernés qui ont bien travaillé. On a eu cinq, euh, cinq jours où on a, on a vraiment bien, bien, bien travaillé. Donc la motivation est là et demain nous rentrons en, compétition pour les éliminatoires de la Cannes 2023 et qui est très important où le Sénégal est le tenant du titre. Donc nous avons aussi un statut à, nous avons statut aussi, donc euh, un match qu'on doit aborder avec beaucoup d'humilité, mais avec euh, de la confiance et surtout avoir des ambitions aujourd'hui de pouvoir gagner même au-delà du match de, demain contre le Rwanda et approcher les, six points. Voilà. Bonjour coach, bonjour Sadio. Euh, cette question c'est pour Sadio Mané. Euh, Pape Oumar Keïta, journal sportif Sénéweb. Euh, Sadio, euh, à travers les réseaux sociaux, on voit l'ambiance qui règne dans la tanière. On voit la présence de Bounassar, qui n'est pas sur la liste parce que blessé. On voit la présence de Bambadjan. Que pouvez-vous nous dire sur l'ambiance dans la tanière Car ça donne, on a l'impression que vous n'êtes plus des, des coéquipiers, mais des frères. Bonne question. Je pense que ça se voit sur les réseaux sociaux comment l'équipe euh, vit. Je pense que aujourd'hui, c'est ce qui fait euh, notre force. Je pense que c'est au-delà du football. Nous sommes des frères et je pense que c'est de la famille, en gros. Et euh, voir Bamba qui n'est pas dans l'équipe et qui est avec nous, je pense que ça résume tout. Et voir Bouna aussi qui, était venu rendre visite. Et moi-même, voir Mbaïdjan, des fois qui vient et oh, toujours qui sont même pas sélectionnés. Je pense que c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça résume tout. Vous savez, je pense que aujourd'hui nous sommes arrivés à un, stade où euh, c'est, juste au-delà du football. Et je pense que même dans le match, ça se voit. Nous avons, nous avons quelque chose qui est, vraiment spécial et je pense que c'est ce qui fait la, force de notre équipe. Je pense que ça va se continuer. Merci Cara. Bonjour coach, bonjour euh, Sadio. J'ai une question pour vous Sadio Mané. Euh, vous venez de fêter 10 ans dans la tanière en ce mois de mai. Quel bilan tirez-vous de ces 10 ans Et jusqu'ici, quel a été votre secret pour aujourd'hui être l'idole de vos coéquipiers, de tous ces jeunes qui veulent jouer au foot maintenant Waouh Moi, je ne savais même pas que j'ai fait 10 ans. <laughs> Tellement que ça passe vite. Donc, euh, tant mieux pour moi. Et je pense que je suis content d'être là représenter surtout mon pays euh, pendant une si longue période, <laughs> c'est pas évident. Et aussi, je pense que euh, le fait de dire leader de cette équipe, euh, merci pour votre compliment, mais je pense que j'essaie juste de faire ma partition et jouer dans un match de football, surtout le football que j'aime. Euh, je jouer, donner, euh, marquer, faire marquer mes, mes coéquipiers, je pense que c'est le plus important. Alors, reste, euh, comme vous, avez l'habitude de dire, c'est tant mieux. Je <laughs> pense que le coach vous répondre à cette question. Coach, je suis le leader ou c'est qui le leader bonjour coach, bonjour Sadio, Senegal.com. J'ai une question pour le coach Alicissé et pour Sadio Mané. Je vais commencer par le coach Ali Coach, vous avez déjà affronté cette équipe euh, béninoise lors de la CAN 2019. Est-ce que vous allez vous servir de cette rencontre pour préparer le match de demain Oui, c'est vrai que c'est une équipe qu'on a jouée euh, lors de la Cannes 2019 euh, en, quart de finale. ce fut un match, un match très, très difficile. le résultat est venu vraiment vers la, vers la fin une équipe très costaud, une équipe capable de défendre en, bloc et de jouer dans des transitions. Euh, ils ont des individualités comme Dossou sur le côté droit, comme Sougou, l'extérieur gauche, et puis euh, Steve Mounet qui est un garçon vraiment très intéressant. Derrière aussi, je pense qu'ils ont de l'expérience et du, vécu. Donc euh, on sait que le match de demain sera différent aussi du match de 2019 même si c'est vrai que l'entraîneur euh, en 2019 euh, a changé et que c'est son adjoint qui est là. Je crois que ça va être la même ligne directrice. C'est une équipe qui viendra ici avec des, avec des ambitions et comme je l'ai dit, nous, nous avons aussi un statut à, à, montrer. Euh, et puis, et surtout, nous sommes détenteurs de cette, coupe-là. Il faut qu'on aille le défendre. Et pour aller le défendre, il faut commencer par un bon résultat face au Bénin, comme je l'ai dit, euh, un match euh, qui ne sera pas facile, mais à nous de faire le nécessaire justement pour empocher les, les trois points. La, question pour Sadio. Sadio, vous venez d'enchaîner les matchs avec votre club Liverpool, notamment la finale de la Ligue des Champions samedi dernier. Où en êtes-vous physiquement <laughs> je, suis, prêt, je pense. Vous savez, comment Bonne question. Très bonne question. <laughs> très bonne question. Écoutez, je, je suis euh, en football professionnel. Je, sais, euh, je joue euh, dans le haut niveau, ça fait euh, beaucoup d'années. Et je pense qu'on a l'habitude, parce que des fois on joue 60, voire plus de matchs dans la saison. C'est pas évident du tout, on est conscient, mais comme j'ai l'habitude de dire, c'est à un moment donné, c'est dans la tête. Et après aussi, euh, je pense qu'on euh, essaie juste d'être euh, professionnel, tout le temps d'être professionnel. Et je pense aussi que ça aide beaucoup. Donc, pour vous résumer en gros, je, suis là, je suis prêt à défendre les couleurs de mon, pays. bonsoir, bonsoir coach et bonsoir Sadio. D'abord une question pour le coach. Euh, coach, qu'est-ce que vous pouvez nous dire en termes d'intégration euh, donc de ces trois En termes d'intégration donc des trois nouveaux joueurs, euh, est-ce qu'ils rentrent bien dans le ou les systèmes de Aliou Cissé Oui, je crois que Sadio a, bien expliqué l'ambiance qui régnait dans la, dans la, dans la tanière et en termes d'intégration, je crois que tous les garçons qui ont eu à à venir ont été bien intégrés et par le staff, par les, par les fédéraux, par les, par les joueurs. Donc euh, à ce niveau-là, on n'a pas ce, pas ce problème-là. Je crois que que ce soit euh, Eliman, que ce soit euh, Demba, bon, euh, Alpha lui connaît un petit peu la, la, maison, ils sont, ils sont bien intégrés. Maintenant, comme je vous le dis, sur le plan technique, sur le plan tactique, c'est les garçons qui sont prêts aujourd'hui à, à répondre là où on leur euh, là où l'équipe aura besoin d'eux. Leur polyvalence aujourd'hui, que ce soit Illiman, que ce soit euh, Dembasek, je pense que c'est vraiment intéressant pour notre, équipe. Mais bon, comme je le dis, c'est des jeunes joueurs. C'est important surtout de les incorporer pour qu'ils viennent apprendre à côté d'autres joueurs, d'autres grands joueurs euh, qui ont un peu plus d'expérience qu'eux, qui ont un peu plus de vécu. Mais vous le savez aussi bien que moi aussi que la progression et le talent n'attendent pas non plus. Donc euh, c'est sûr et certain que si leur niveau vraiment est intéressant et qu'on voit qu'ils peuvent apporter un plus à l'équipe, bah, ils intégreront l'équipe. C'est notre, c'est notre, c'est notre politique. Ça a été le cas pour Moussa Wagé, ça a été le cas pour des garçons comme euh, Crépin Diata, ça a été le cas pour des garçons comme, euh, comme comme euh, Tarsar qui est en train d'arriver. Donc oui, l'intégration, c'est aussi ça. D'abord, les apprendre à apprendre, à, venir, à apprendre, à comprendre l'environnement et petit à petit, bien sûr, les intégrer dans les systèmes. D'accord. Une question pour euh, Sadio Mané. Euh, alors Sadio, euh, ce sera donc votre premier match pour la reconquête du titre africain. Alors que représente ce match contre le Bénin et est-ce que vous connaissez très bien cette équipe béninoise Je pense que après la Cannes, on a joué notre match, le Calife, pour la Coupe du Monde, tu te rappelles À la Cannes, oh ok. Écoutez, je pense que euh, nous connaissons tous cette équipe euh, béninoise et euh, on a eu à, jouer contre cette équipe à la CAN 2019. C'était les cartes, je pense. Et, comme je l'ai dit, on la connaît bien. on, sait que ça ne va pas être un match facile, mais comme on l'a toujours fait, je pense que récemment on l'a montré devant notre public qu'on est capable de, de mettre en difficulté n'importe quelle équipe, surtout à, à, domicile. Et je pense que euh, ça va, on sait que ça va pas être un match facile de toute façon, mais bon, on, sera au rendez-vous et euh, devant notre public euh, surtout. Et maintenant, on va essayer de de bien, bien entamer euh, le match et essayer de se procurer des occasions. Bien sûr, après, après il, faut, il, faut, il faut les mettre au fond. Et je pense que l'essentiel, c'est au final de gagner les trois points. Hein. c'est ce qui nous intéresse et on va tout faire pour, euh, pour les remporter, Inch'Allah. Merci. Il ne nous reste que cinq minutes. Maintenant, à vous de voir. On fait les cinq minutes en Wolof ou bien on enchaîne le français. Donc, vous, vous enchaînez en Wolof, s'il vous plaît. Votre question, vous la posez en Wolof. Euh, donc coach maa ngi lay nuyu Mouhamadou Moustapha Gaye journaliste à Dakaractu Sadio aussi maa ngi lay nuyu alors coach wax nga ko léegi préparation bi juste na euh, Sadio wax na ki tam ils ont eu une saison assez longue ñoom joueurs yëpp au regard de tout cela est-ce que mun nañ xaar ci matchu euh, samedi bi contre Bénin le coach Aliou Cissé lancé benn joueur bu bees bu mel ni Elimane Ndiaye ak tey jii ci ni nga jàngatee profil joueur bi di Elimane ci ban système wala yan poste nga jàpp ne tey war na fa mën a valoir des satisfaction à l'équipe nationale waouh c'est vrai que euh, wax équipe bi équipe nationale collectivement mon gënal que di wax individualité euh, mais question bi question en solo la euh, Elimane a xam nañu talent comme nous ko lundi joueur vais ramener la deuxième division des jouer Angleterre mu que joueur offensif mon jouer pratiquement excentré gauche excentré droit wala ci euh, wala attaquant donc euh, bañ a tamit que xale la te ñun tamit dañu am ben politique pour xamné ne yi bu ñu ñëwee na lañ leen di intégrer moy que ñu bàyyi leen ñu jang xam xamé ci yeneen joueurs yo xamné ñu ñoo leen ëpp expérience mais comme nu ko waxé sank tamit ci kàllaama nasaraan rek moy que le talent n'attend pas donc progression dinañ ko ñu koy gis tay ñu ak mom depuis une semaine dina dellu ak clubam équipe bu ko soxla xam naa ni que pare na pour pour jouer mën naa wax ni que Demba Seck tamit mi ngi tamit ci ci disposition boobu donc euh, foog naa tey bu ñu ñëwee ça veut dire que am na lu ñuy xaar ci ñoom mais lu gën am solo daal mooy que ñu ñu ñu ñëw ñu dalal leen et puis ñu xam tamit nan nañuy nan nañuy incorporé wu ci biir équipe nationale bi mu nekk ay xale yoo xam ne comme ni ma ko waxee rek mën nañu jouer excentré gauche mën nañu jouer excentré droit donc mën nañu am ne tamit lenn loo xam ne euh, pour renforcer tamit euh, amélioration équipe bi dernière question. Euh, J'ai une question pour euh, coach ak euh, Sadio. Ben, ben, ben, ah dañuy dañuy euh, coach sama question maa ngi déjà c'est Mariam Ndiaye du journal Les Échos euh, coach sama question Moi, tey euh, ñëwoon nga ci stade bi mu porter la chance suba nga war fi ñëwaat muy sa deuxième sortie lan la lay def loolu pour Sadio xam naa Kara dina ma rey Sadio actualité bi moy sa club lan nga ñu si wax exactement sa transfert bi. <laughs> coach réponse cette question. waaw bon waaw pour euh, mais di ñaan yàlla rek mu mu continuer c'est vrai que euh, souvenir bu baax nañ fi amoon mooy euh, match ba les passé vraiment di jaajëfal encore suñu suñu supporters yi waaw di leen ñaan tamit suba ñu ñu teew. supporter équipe bi ñu def ko tamit ci yar ak teggin parce que ci loolu nañu xam euh, donc euh, mais di si di ñaan yàlla rek mu yokku waaw am ñu yàlla defal ñu fi ay ndam yu bëree bëri bëri bëri bëri bëri fii man après man ñëpp ñu fi ñëw fii yan nañu fi yàlla may ndam. <laughs> yow bi nga duggee olof yëpp <laughs> bi nga duggee olof nga yàq lépp. <laughs> <laughs> à part l'eau je pense que dans mes réseaux sociaux comme comme comme jeune Sénégal comme nouvelle génération Nip, c'est euh, souvent damay mes euh, euh, commentaires comme yo comme yo comme journaliste je pense que boo xoolee soixante ou 70% pour cent sénégalais yëpp de bëgg ma quitter Liverpool du de du lool voilà le sénégalais yi bëgg rek loolu laay def donc. <laughs> loolu donc euh, bu len wax dara lu lu si lu si kanam rawli li bët lañ ko wax donc bu len yakam de ngeen ko gis seen bopp am problème. oui merci merci Kara par rapport à ma question euh, je suis là. oui Dame c'est Dame sen Jaxaay TV ben question la am amoon ben pour Sadio mais baye ma tee ko euh, coach ñu gis ni di nga football samedi di nga football aussi mardi est-ce que y ngi natt occasion boobu non parce que vous vous allez faire deux matchs à domicile le samedi et le mardi ce est-ce que yaa ngi natt occasion bi nga am par rapport à avance bi nga mën am merci. waaw ñu ngi koy natt bu baax je crois que loolu tamit question bu bu am euh, le fait tamit que ñu nekk ci fin de saison comme nous ma dit waxee rek où pratiquement suñu joueurs yi dañu jouer match yu donc euh, conseil il ñu tamit yenn yenn voyages yi voyages yu yàgg c'est vrai que le fait que ñaareelu match bi contre Rwanda ñu mën ko jouer fii euh, bu ñu xoolee nii mën nañu wax ni que avantage la donc euh, nañu nañ def maintenant lu lu war justement mooy que profiter tamit ci occasion boobu nga xam am nañu suñu ñaari match yi pour euh, pour gagner gagner gagner ñaari match yi yëpp incha allah. jërë léegi.